d'aveu. C'est une loi, loi parce que bu fekkoonte ni président la république liggéey na ñetti at yii ñu wees tey jii nii day fekk ni askanu Sénégal dañu juboo ànd nekk benn waaye dem ba mu des weer wala lu yees weer nga war a dem nga ne sama askan dafa xaajaloo dañu féewaloo reyante yi bëri na c'est un d'échec total une loi qui avoue l'incapacité c'est une loi qui avoue l'incapacité de l'État du Sénégal à faire face à ce qui est sa mission régalienne trois ans 2021 bataille. 3 Sénégal yoo xam nañ trois ans février 2021, février 2024, mënuñu xam lan moo xew ci biir c'est une loi qui s'inscrit dans le cadre d'un coup d'état constitutionnel que ça fait partie d'un plan pour pouvoir changer les élections. Depuis qu'on est venu ici voter pour que la commission d'enquête parlementaire vienne, cette loi s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi, messieurs qui parlez, vous qui aboyez du fond de la salle, est-ce que vous la femme, la mère de Lars sanagariso, vous qui aboyez du fond de la salle, est-ce que vous Khol, la mère de l'Ansana Diarisso, qui était allée garer sa voiture, qui avait 21 ans, qui livrait des, marchandises, nous bombo, auto gendarmerie Felko, nous avec des bras fracturés, des membres fracturés. Et que Diarisso est resté à souffrir, mais qui vire gendarmerie pendant des heures, qu'elle nous a loué comme Yougou, pour gendarmerie la lan ngeen di wax jaayu kooku lan ngeen di wax jaayu ñaar ñi nga xam ñu sant Diallo Fatou Bintou Diallo ak Oumou Kalsoum Diallo lan ngeen di wax ñaari ñooñu nga xam ne ba say seen yuuxu ñu ngi jib te yuuxu yooyu seen yuuxu yi mënu ko fay mënu fay Fatou Bintou ak lu ngeen mënu bu ni ngeen projet de loi bi vous aboyez du fond de la salle parce que vous ne savez faire que ça. Parce que vous êtes payé pour trahir votre peuple et trahir votre serment de voter des lois pour le peuple sénégalais. Mesdames, et Messieurs, vous savez très bien de qui parler. Vous êtes pleinement conscient, que le projet de loi de de cadre d'une politique pour

continuer non mettez la man je suis fier je suis fier d'avoir porté les combats que je porte je suis fier de dire de parler au nom de l'ancien Diarisso de Bari et de toutes les victimes je suis fier de pouvoir dire que je ne vote pas cette loi pour amener ne exposé des motifs madame la ministre madame la ministre dans l'exposé des motifs vous ne faites nullement référence même aux victimes alors et je suis fier de ça et je suis content et je suis content de parler de défendre la constitution et de, défendre la république mais madame la ministre quand vous faites des, des, comme ça et que l'exposé

Merci, cher collègue. Conseil constitutionnel La parole est à notre collègue Alassane Doy, suivi de Abdoulaye Diagne.